Nigériens, Nigériennes, mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'ingénieur Idriss Lawali Abdou s'exprime. Vous, vous rappelez certainement de Idriss Lawali Abdou, concepteur de l'application Karatou Postbac, ex-président de l'association des Nigériens de Toulouse, vous vous rappelez de l'émission Franco Aoussa Nous avions parlé de la culture nigérienne vendue à l'extérieur en France, à Toulouse, par ces jeunes nigériens. À travers, bien évidemment, la journée culturelle des Nigériens de Toulouse. Ils ont fait la promotion, ils ont fait venir des artistes nigériens, ils ont vendu les couleurs nationales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une application. Une application conçue par ce jeune ingénieur nigérien. L'école est déjà fermée, puisque le 17, vous vous rappelez certainement, le Conseil des ministres a décidé de suspendre les cours, les séminaires, ateliers depuis le 17. Alors aujourd'hui, il a une contribution apportée au monde scolaire. Il a conçu une application pour vous, jeunes, scolaires. Aujourd'hui, c'est de cette application que nous allons parler sur cette émission. Tout ce que vous voulez savoir sur KPB, c'est tout de suite maintenant. S'orienter dans la vraie vie, c'est rechercher les quatre points cardinaux. Et les quatre points cardinaux sont l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. S'orienter dans le monde scolaire, c'est recherché. Karatou dire Idrissa, je te souhaite la bienvenue sur cette émission. Comment tu vas Tu pètes la forme Ouais, Dondi, je vais très bien. Et toi Ouais, ça va bien. <laughs> Bien protégé. La pandémie continue toujours, euh, n'est-ce pas, à circuler dans le monde entier. On respecte ici à Kalangou la distanciation sociale, les gestes barrières, lavage de mains, pareil. Parlons de KBB parce qu'à cause de Covid, les écoles seront fermées. Alors il faut avoir plus d'informations sur cette application pour permettre au monde scolaire de se retrouver à travers justement l'émission Tous à la Fada. Oui, oui, euh, comme tu l'as dit, Dondi, euh, très bientôt, on va se retrouver justement. Euh, quand je dis on, c'est surtout les scolaires. Mhm. Euh, donc, euh, à, la maison, peut-être à s'ennuyer, à ne pas savoir quoi faire. Mhm. Donc, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, euh, pour tous ceux qui, sont au lycée ou les étudiants. Mhm. Donc, vous pouvez aller télécharger Karatu Postback qui est disponible sur Play Store pour ceux qui ont Android et Apple Store pour ceux qui ont iOS. Donc euh, l'application va aider euh, ces jeunes en tout cas à trouver les, informations qu'il faut dans leur euh, parcours d'orientation scolaire. Donc pour le monde, on va dire euh, les études supérieures. Mhm. Donc euh, l'application vous aidera euh, de façon concrète à trouver les informations sur les choix de filière mhm. qu'il vous faut en fonction de vos compétences, de vos capacités, mais aussi elle vous permettra de vous inspirer de parcours inspirants de jeunes qui ont étudié un peu partout dans le monde. Donc on peut donner comme exemple le parcours de Fajimena, mhm. qui est aujourd'hui la première Nigérienne à la NASA donc euh, qui va vous inspirer. Elle vous expliquera pourquoi elle a fait euh, ses études du coup d'hydrologue mm-hmm. et qu'est-ce qui l'a amené euh, à arriver à la NASA aujourd'hui. Et vous pouvez aussi avoir des informations sur les procédures d'inscription un peu partout dans le monde. Dans le monde, parce que ben, il faut dire que l'application oriente. C'est ça. On a généralement des problèmes. On veut aller étudier à l'extérieur. Ben des phases compliqué. Alors, il suffit de télécharger l'application pour avoir toutes ces informations, c'est ça Oui. L'essentiel pour nous, donc du coup, c'est de donner les voies et moyens pour permettre aux jeunes, puisque nous sommes pratiquement à la fin donc, de cette rubrique, donner eh bien évidemment euh, un moyen aux jeunes d'aller télécharger cette application et la suite, ce serait sur l'application. Comment avoir KPB Idriss Abdou. KPB, comme je l'ai dit, eh. c'est aller sur Play Store quand vous avez euh, Android ou bien aller sur Apple Store si vous avez un iOS et l'application est 100% gratuite. Vous n'avez qu'à l'utiliser et vous faire plaisir, comme on dit. Idrissa, un message très fort à l'endroit du monde scolaire, à l'endroit des jeunes scolaires qui écoutent et regardent cette euh, émission. Idriss Lavaliabou, il faut sauver l'année, quelles que soient les difficultés. Alors, un message de fin pour que nos camarades euh, élèves et étudiants puissent donc se retrouver à travers cette émission, pour que cette année soit l'année de leur année. Un message de fin. Donc, comme on le dit euh, dans le jargon, gardez la pêche, soyez motivés. Et n'hésitez pas à prendre le pouvoir sur votre avenir. Et n'hésitez pas à aller consulter Karatu qu'elle elle vous y aidera. Et comme on le dit aussi souvent, tout un chacun de nous a un talent. Ce qui, ce qui est un devoir pour vous, c'est d'investir du temps pour le chercher et de le valoriser. Des petits jubots s'en va à l'école en portant son sac posé sur le pôle. Il savait travailler, on lui donnait des bonbons un bouquet de fleurs. C'était l'émission Tous à